Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Journée mondiale de la surdité cité Comment redonner vie et espoir aux personnes en situation de ce handicap au Niger À l'occasion de la Journée mondiale de la surdicécité, le 27 juin, jour de la naissance d'Hélène Keller, l'Organisation internationale pour la surdicécité, DIF Blind International, a lancé cette année une initiative de Yarm Bombing en français, bombardement de laine sur les installations urbaines, afin de sensibiliser le grand public à ce handicap spécifique. Un grand nombre de pays a rejoint cette initiative en recouvrant de l'aine des structures de leur ville. Les établissements spécialisés La Nature, le Yarm Bombing rend visible de façon créative et colorée un handicap souvent invisible tout en proposant une activité pour les personnes en situation de surdicécité. Avec nos invités, nous allons échanger sur la surdicécité son ampleur au Niger, mais aussi les différentes initiatives pour une meilleure intégration des personnes en situation de ces handicaps. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Moussa Nasser, enseignant, président et fondateur de l'inclusion sans frontières. Moussa Nasser, bonsoir. Bonsoir. Moutari Doubou Nassamou, juriste de formation, chef de projet à l'inclusion sans frontières. Nassamou, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Madame Rahinatou Moussa Souna, journaliste de formation chargée à la communication à l'inclusion sans frontières. Bonsoir Rahina. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou on va commencer avec vous. Moussa Nasser, la discrimination fondée sur le handicap reste encore un phénomène très répandu au Niger et impacte négativement la vie de toutes les personnes en situation de handicap. Que peut-on savoir au sujet de la cécité au Niger Nous remercions très sincèrement Radio Kalangou pour cette occasion qu'ils nous ont donnée Enfin, de parler sur la sourdicité, c'est effectivement un handicap euh, spécifique euh, et très mal connu par la population. D'abord, je vais un peu vous parler historique qui nous a motivés pour la création de cette association. Personnellement, ça fait plus de 35 ans que je suis euh, dans le cadre de l'éducation des enfants handicapés, notamment les enfants handicapés visuels, que j'ai constaté beaucoup des enfants qui ont un autre handicap associé comme euh, déficience auditive, ils sont malheureusement rejetés au sein de l'éducation parce que c'est un autre handicap associé qu'ils ont en dehors de l'handicap visuel. C'est ça qui nous a amenés à réfléchir pourquoi ne pas créer une association qui peut s'occuper de ces enfants qui sont rejetés ou bien de ces personnes-là. L'association, c'est ça, l'inclusion sans frontières. C'est ça, donc, euh, inclusion sans frontières multi-handicap. Donc c'est ça le nom de, l'association. Et beaucoup des enfants sont rejetés, beaucoup de personnes handicapées atteintes de la sourdicité ils sont rejetés dans la population. Donc c'est ça qui nous a amené donc à la création de cette association en 2019. Effectivement, donc euh, nous avons essayé donc d'implanter un peu partout nos antennes pour qu'on puisse d'abord commencer par l'identification. Il faut d'abord qu'on sache il y a combien de personnes que nous avons ici au Niger. Donc, euh, c'est sur ce plan-là que nous sommes actuellement pour l'identification. Comme vous avez donc effectivement la surdicité, donc c'est une situation d'handicap euh, résultant par la double déficience sensorielle et auditive et, visuelle. Donc, euh, c'est des personnes qui ne peuvent ni voir ni entendre. Donc, nous les avons classés donc au en trois catégories. Il y a ceux qui sont nés comme ça, qui sont nés donc aveugles et en même temps sourds. Mais il y a ceux qui sont des personnes euh, sourdes ou bien des personnes aveugles dans leur euh, processus donc de la vie, ils atteignent d'autres maladies, d'autres handicaps. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est une personne handicapée visuelle, dans la vie encore, il devient une personne sourde. Et vous allez aussi une autre catégorie, c'est des personnes âgées Généralement, vous allez voir beaucoup de personnes âgées qui, par euh, l'âge, ils perdent donc la vue et par un encore l'audition. C'est les trois groupes-là que nous avons commencé donc à identifier ici au Niger. Moussa Nasser, est-ce que le gouvernement nigérien vous appuie dans cette initiative Donc, effectivement, nous sommes au début, nous sommes avec le ministère de la Santé, de la Population et de l'Action sociale qu'ils sont au courant de nos activités, que c'est un début donc, euh, avec eux. Et nous collaborons aussi avec euh, leur euh, direction au niveau de l'intérieur du pays. Par exemple, quand vous prenez dans la région de Sander, où nous avons un taux élevé de nos membres, qui sont au nombre de 16, qui sont en même temps en situation de sourdicité, nous collaborons donc directement donc avec ces directions-là et avec aussi les personnes handicapées qui sont dans cette localité. Moussa Nasser, l'inclusion sans frontières est convaincu que dans la lutte contre la pauvreté, un cercle vertueux de développement durable peut être enclenché en collaboration avec les communautés concernées en partageant et en développant les connaissances de base, les compétences et les conditions qui leur permettent de mieux construire leur avenir. Quelles sont les difficultés liées à ce handicap, la surdicité D'abord, c'est un handicap qui est rare, très, je vous ai dit, très mal euh, connu par la population. Premièrement, vous allez voir qu'une personne qui a atteint donc de la surdicité, vraiment, elle est complètement délaissée par sa famille. Généralement, vous avez trouvé peut-être dans la famille une seule personne qui est toujours avec la personne. C'est un handicap qui a besoin d'assistance, toujours, quotidien donc avec euh, la personne. Donc c'est ça que nous essayons donc avec euh, la, famille pour le sensibiliser que cette personne-là, elle a besoin d'assistance régulièrement. Donc il faut toujours rester avec la personne-là parce que toujours elle besoin d'aide. Donc c'est ça pour le moins que nous sommes en train de faire des sensibilisations de famille en famille. Nous avons trouvé par exemple à Tawa une fille qui est en même temps sourde aveugle qui n'a jamais mis pied dehors plus de 30 ans. Elle est toujours dans sa chambre. Donc même pour aller aux toilettes, c'est tout un problème pour l'amener donc aux toilettes. Donc nous avons pu sensibiliser la famille, elle-même la, fille, pour qu'elle-même qu'elle puisse donc aller aux toilettes sans demander donc hein, l'appui de ses familles. Donc euh, vraiment maintenant, alhamdoulilah, auparavant, même pour boire même de l'eau, elle ne sait même pas comment. Maintenant, avec les techniques de communication, nous avons informé la famille, sensibilisé la famille si elle a besoin de l'eau elle montre à la famille le bol. Il y a toujours un bol à côté d'elle. Dès qu'elle voit le bol là, donc directement on sait qu'elle a besoin de l'eau. Si elle voudrait aller aux toilettes, dès qu'elle montre donc euh, euh, une paire de chaussures, donc on sait qu'elle voudrait aller aux toilettes. Si elle a besoin de, nourriture, elle montre une tasse. Donc c'est ce genre de choses là que nous avons sensibilisé donc la famille pour que au moins qu'elle puisse faire une activité donc euh, à domicile. Moussa Nasser, la surdicité est une situation de handicap résultant d'une double déficience sensorielle, auditive et visuelle. Vous l'avez euh, rappelé tout de suite. Avez-vous identifié les causes de ce handicap Bon, pour le moment, les causes de ce handicap-là, il y a d'abord ceux qui naissent donc par euh, naissance, donc euh, soit par un problème de, de, formation. de formation au niveau de l'accouchement. Il y a ceux qui par accident. Par exemple, il y a une femme de, Zander, Halima. Donc, euh, elle, elle était une personne, euh, elle a un seul œil. Et c'est une personne sourde. Donc, il y a sa chèvre qui l'avait donc, euh, comment on appelle ça, piqué avec sa, corne. sa, Sur l'autre œil qu'il voit. Mm, mm. Et vous voyez complètement, donc, elle a perdu la vie, Parce qu'elle était sourde. Donc, vraiment, elle est complètement devenue donc sourde aveugle. Maintenant, avec l'appui de son fils, qui est toujours à côté d'elle, je peux te dire que presque 24 heures, est toujours à côté d'elle. C'est elle qui l'amène donc euh, aux toilettes. S'il a besoin de quelque chose, c'est lui qui l'accompagne. Même s'il sort pour aller en ville, il ne peut même pas faire 30 minutes pour revenir pour voir qu'est-ce que sa maman a besoin. Donc, vous voyez, donc il y a, y a l'accident qui est là. Il y a aussi beaucoup de, des enfants, vous allez voir des enfants handicapés, surtout auditifs. même ici au niveau de l'école de sourds, on a identifié certains. C'est des enfants qui sont là sur un problème auditif, mais qui ont aussi un autre problème de, de, vision. Ils ne voient pas de, de, loin. Donc vous voyez, donc, quand on le fait le, la langue des signes, de loin, ils ont un problème pour constater il s'agit de quoi. Donc on a essayé de voir comment solutionner des problèmes en achetant des, verres correcteurs pour que ces enfants-là puissent donc euh, corriger. Donc, euh, comment se fait leur scolarité leur scolarité, quand vous prenez ici au Niger, nous sommes beaucoup en retard par rapport aux autres pays. Donc je peux dire que même en Afrique, presque je connais euh, à Accra, où il y a seulement une seule école pour ce genre d'enfants. Mais en Europe, vous allez voir beaucoup des écoles qui s'occupent des enfants handicapés, sourds, aveugles. Mais ici, nous, jusqu'à présent, on n'en a pas ça ici au Niger. Mais on essaye avec nos intervenants, c'est-à-dire que les volontaires que nous avons donc au niveau de nos régions, pour aller au moins faire quelque chose à la maison pour cet enfant-là. Parce qu'en les ramener donc à l'école, c'est tout un problème. Mais les enfants qui ont des problèmes, par exemple, je vous ai parlé des enfants sourds, qui ont un problème qui sont en même temps des malvoyants. Donc ici, ce n'est pas la vision complètement qui est perdue. C'est des malvoyants, donc ils ont un RS visuel et on essaie donc de, de, les acheter des verres correcteurs ou bien de faire de, de gros caractères, des livres où on, on, on essaie donc d'imprimer ça en police 20 afin que leur permettre donc d'étudier donc à l'école. Merci beaucoup Moussa Nasser. Nous allons revenir vers vous le temps de donner la parole à Moutari Doubouna C'est l'occasion de sensibiliser le grand public à ce handicap spécifique mal connu et de l'inviter à construire une société ouverte et plus inclusive pour les personnes sourdes aveugles. Ce handicap est-il bien connu par les Nigériens, Moutari Bonjour, merci pour la parole. Donc, euh, en fait, comme l'avait rappelé le président, ce n'est pas un handicap qui est connu, c'est un handicap rare qui souvent c'est par négligence même que la personne devient euh, sourde aveugle. Négligence par exemple, pour les enfants dans la famille et ou les enfants scolarisés, les enfants aveugles. Déjà, on sait qu'au Niger, les personnes handicapées en général ont ce problème d'accès à l'éducation. Donc, euh, vous allez voir qu'il y a des enfants qu'on amène qui sont des enfants aveugles, associés avec d'autres maladies. Et c'est ces maladies-là qui vont contribuer au déclenchement de l'autre handicap. Au lieu de suivre ces maladies, ces maladies, on les laisse et ça va s'enfoncer pour donner un autre handicap qui est une situation de surdicécité associée à d'autres handicaps. Or, l'éducation commence dès la famille. La maman a l'obligation de savoir ce que son enfant a besoin. Une fois inscrit à l'école, de le suivre pour voir est-ce que cet enfant-là n'est pas en train de développer d'autres maladies c'est ça qui fait en sorte que vous allez voir l'enfant va développer l'autre handicap. Parce qu'il y a une situation qui est là d'enfance peut-être qu'on a négligée. Alors, que fait votre association, euh, l'inclusion sans frontières, pour amener les Nigériens à comprendre euh, ce handicap Nous, on a commencé avec ce qu'on appelle la participation à base communautaire. Commencer dès la famille d'abord, sensibiliser la famille, pour que la famille d'abord comprenne que ses enfants ont aussi droit à l'éducation et de ne pas les traiter d'une autre manière. Ensuite, c'est au niveau des, structures euh, décentralisées ou déconcentrées de l'État, telles que les directions régionaux, les régionaux comme l'avait rappelé le président, et aussi on a des séances de sensibilisation qu'on a l'habitude d'organiser en collaboration avec euh, nos partenaires pour que l'État prenne en compte cette situation qui est nouvelle et une situation de handicap visuel associé à un handicap auditif. Et dans les sensibilisations, on les, on les sensibilise que le Niger a déjà ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et plusieurs autres instruments juridiques, tant sur le plan national que sur le plan international, pour pouvoir prendre en charge n'importe quel genre de handicap sans exception. Oui, mais Moutari, sur le terrain concrètement, euh, est-ce que ces actions-là sont visibles Comme je l'ai dit, les personnes handicapées en général ont ces problèmes-là. Mais l'autre handicap, c'est plus compliqué, car c'est un handicap qui n'est pas du tout connu, qui n'est même pas connu. Par exemple, oui, en que, parlant... que fait l'État nigérien et ses partenaires dans ce sens pour amener les Nigériens à comprendre ce handicap ce que l'État nigérien fait, moi je ne peux pas apprécier ce que l'État du Niger fait. Ce que je peux dire, comme l'avait rappelé le président, c'est le débit. Nous, on est en train de sensibiliser d'abord la famille et l'État même parce que c'est une situation nouvelle que nous, on a constaté que ces personnes souffrant de cette, euh, ce handicap, la surdicité, c'est des personnes à part entière. Et c'est une situation qui est là. Comme l'avait rappelé le président, on a par exemple 16 à Zander. Peut-être nos moyens ne nous permettent pas d'aller faire les identifications dans les autres parties de l'État. Ce que l'État doit faire, moi je pense, c'est de nous appuyer dans cette euh, voilà, cette démarche pour qu'on puisse identifier et savoir comment multiplier les actions pour faire participer ces personnes souffrant de la sourdicité pour qu'ils puissent euh, exercer au moins une activité, même si c'est à domicile. Moutari Doubouna Samou, la gravité de l'effet combiné sur la capacité de la personne à communiquer, se déplacer et à accéder à l'information est tel qu'un sens ne peut compenser l'autre, comme euh, l'a dit le président Moussa Nasser. Que faire pour redonner vie et espoir aux personnes en situation de handicap C'est l'assistance. La première des choses, c'est de renforcer l'assistance et l'assistance surtout dans la famille. Certes, la famille peut assister, oui, on sait, mais souvent ces enfants ou bien ces personnes sourdes et aveugles sont dans les familles qu'on appelle des familles démunies. Donc là, il faut le soutien des autorités et les partenaires techniques et financiers pour que la famille puisse prendre en charge cet handicap et donner l'espoir à ces personnes qui sont des personnes à part entière à ne pas négliger car nul n'est insignifiant. On ne peut pas estimer ce que la personne peut faire sans l'assister. Euh, Moutari Samu, cette année, la journée mondiale est l'occasion de rappeler les avancées en 2023 de diffuser la parole des personnes sourdes aveugles et des associations, mais aussi de mettre en avant les actions de sensibilisation. Votre association est-elle dans cette dynamique Évidemment, notre association est dans cette dynamique. C'est ça l'objet même de, de cette discussion. Quand vous voyez, c'est pour au moins eh, amener la société à comprendre, à comprendre c'est quoi cet handicap, comment redonner l'espoir à ces personnes-là pour qu'elles puissent participer activement dans la société et pour ne pas aussi les négliger, les laisser cacher dans les chambres. Mais aussi les actions que mène votre association, l'inclusion sans frontières. Oui, évidemment, c'est la sensibilisation pour que l'handicap soit connu d'abord et ensuite pour que ceux qui ont la capacité de nous assister à continuer pour sensibiliser afin de multiplier la masse critique. Si ici, nous, au niveau de l'inclusion sans frontières, on sensibilise et le Niger est vaste, c'est un pays vaste, on ne peut pas tout seul faire la sensibilisation, mais une fois que le public a compris cet handicap et la démarche de l'ISF, c'est-à-dire Inclusion sans frontières, et on peut toutefois multiplier les actions pour pouvoir sensibiliser la masse et comprendre de prendre en compte les droits de ces personnes atteintes de la surdicécité. Merci beaucoup, Moutari Doubouna euh, on va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Rahina Moussa Sunna, qui est chargé de euh, la communication de l'association L'Inclusion sans frontières. Rahina Moussa Sunna, l'Inclusion sans frontières multi-handicap est une association de développement qui intervient au Niger pour la défense des droits des personnes handicapées, marginalisées ou discriminées, à savoir les enfants atteints de la surdicité la polyhandicap. Au Niger, quelles sont les actions à mettre à l'actif de votre association, l'inclusion sans frontières multi-handicap et merci beaucoup Mokhtar et merci surtout au studio Kalangu qui a toujours été aux côtés des personnes du menu. Et les actions que nous sommes en train de mener au sein de ISF, qui est Inclusion sans frontières multi-handicap, c'est d'abord la sensibilisation de nos pères comme vous remarquez, nous sommes tous des personnes handicapées. Et on s'est dit que nous, nous avons reçu le soutien de nos parents, l'encouragement de nous-mêmes, parce qu'il faut accepter d'abord ton handicap pour que tu puisses accepter l'offre que l'autre peut t'apporter. Donc, nous sensibilisons d'abord ces personnes pour qu'elles acceptent. Parce que des fois, quand, euh, dans les discussions ou dans les fadas, quand on discute avec des gens, on me demande une personne aveugle et sourde. Non, c'est impossible pourtant ça existe. Donc, euh, comme l'a dit le président. Ils sont, ils sont, nombreux au Niger. Ils sont très nombreux au Niger. Comme l'a dit le président, c'est la première structure qui a pensé à ces personnes-là. Parce que nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés à cause d'un double handicap dont les gens ignorent on pense que non, l'enfant ne, vaut rien à l'école, il faut la laisser à la maison. Or, quand on laisse l'enfant à la maison, c'est pour qu'elle se donne à la délinquance ou à autre chose qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, d'où la création de, de cette association. Et nous faisons aussi des sensibilisations au niveau des familles pour que les familles prennent en compte les besoins spécifiques de ces personnes-là qu'elles soient des enfants ou des personnes âgées. Le président vous a parlé du cas d'un monsieur qui est à Zender, qui aide sa maman, qui ne peut être euh, en dehors de la maison 30 minutes. Imagine si cet enfant-là n'existe pas pour cette femme. Il n'est pas le seul enfant qu'elle a mis au monde. Donc c'est aussi pour que d'autres personnes puissent lui apporter son soutien, pour que lui au moins il puisse aller à ses occupations. Est-ce que vous comprenez Nous faisons aussi des sensibilisations pour que la communauté connaisse ce handicap, pour qu'ils connaissent que ce handicap existe bel et bien. Comment faire pour apporter notre contribution C'est à travers vos micros, c'est à travers les messages sur les réseaux sociaux, c'est à travers des euh, sensibilisations dans les taxis, dans les fadas. Donc, nous apportons aussi des activités génératrices de revenus dans ces localités où... Au, sein, des familles, au sein des ménages euh, de, ces personnes Exactement, au sein des villages même. Par exemple, nous ciblons un village. Tout récemment, nous étions à Doganduchi et à Madawa, où nous avons apporté une contribution à 80 femmes et filles pour qu'ils connaissent d'abord l'importance de ces personnes, parce qu'on leur dit toujours que c'est grâce à ces personnes handicapées que vous avez reçu ce soutien-là. Donc, c'est des personnes handicapées et non handicapées qui ont été regroupées au sein d'un petit groupement où nous apportons des AGR, des activités commerciales pour qu'elles puissent au moins développer une activité. Et la personne qui est atteinte de cet handicap euh, surdité, si lui, il ne peut pas venir directement, on implique un membre de sa famille qui peut l'aider pour que lui aussi il puisse avoir de quoi subvenir à ses propres besoins pour qu'il apporte sa contribution à l'autre. Rahina Moussa quels sont les autres défis qui attendent votre association, l'inclusion sans frontières multi-handicap Les défis. En dehors de la sensibilisation. Le défi est majeur et énorme. Parce que d'abord. Il y a la scolarité. Parce que d'abord, nous avons le manque de moyens. Nous ne disposons pas de moyens que ce soit financière, technique, pour au moins aller au fond des villages pour voir ces personnes-là pour les identifier d'abord. Aussi, nous sommes en train de voir dans quelle mesure l'État peut apporter au moins, même si c'est une allocation à ces personnes-là. Donc, nous avons aussi besoin de la sensibilisation de toute la communauté pour connaître ce handicap d'abord. Parce que c'est ça le défi majeur que nous avons d'abord. Mais est-ce que euh, ces personnes en situation de handicap ont accès à des prises en charge euh, sanitaires et autres Malheureusement, non dans aucune des communautés, non. Mais il y a des personnes de bonne volonté, peut-être le président va vous témoigner, mais euh, que ça soit du côté de l'État. Des fois, même dans la famille, quand la personne est malade ou bien il a un autre besoin spécifique, on pense que c'est naturel parce que c'est une charge pour la personne. On cherche à s'en débarrasser. Donc vous voyez, c'est vraiment très compliqué. Moussa Toumoussouna, les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquat, à une protection sociale effective, y compris l'accès au programme de réduction de la pauvreté et des logements sociaux. Qu'attendez-vous de l'État et de ses partenaires dans ce sens euh, ce que nous attendons de l'État, tout récemment, il y avait eu une réunion sur euh, l'élaboration de la carte de solidarité. Donc, nous pensons que quand l'État va adopter cette carte-là, nous pouvons... Carte de solidarité, ça euh, veut dire concrètement, techniquement... Carte d'égalité de chance. Ah. Donc, c'est une carte qui sera dédiée aux personnes handicapées où tout détenteur de cette carte aura une réduction que ce soit les édifices publics, par exemple les transports. Euh, parce que quand vous prenez par L'électricité, l'eau, le transport. Exactement la santé, l'éducation. Quand vous prenez, par exemple, quand je dois eh, aller quelque part avec Mokhtari, Moutari doit avoir un assistant personnel. Et si moi je paye 1000 francs, ou bien toi tu payes 1000 francs, Moutari, lui, il doit payer 2000 francs pour le transport. Mais avec la carte, on va lui donner une seule, comment dirais un demi-tarif, c'est-à-dire lui aussi, il va payer la même chose, mais avec son assistant. Donc tout ça là, ça fait partie de la carte. Rahinatou Moussouna, quelle est l'importance de l'inclusion des personnes handicapées euh, l'importance, ça a déjà commencé ici parce que quand vous prenez, par exemple, moi j'ai étudié avec euh, des personnes non handicapées et partout où ils sont, ils prennent toujours en compte les besoins des personnes handicapées parce que ils ont déjà collaboré avec une personne handicapée. Et ça, c'est déjà une fierté pour moi. Partout où je passe, nous n'avons pas. Donc, nous ne voulons pas avoir une discrimination. Nous ne voulons pas avoir une stigmatisation. Et pour cela, on a besoin. Mais est-ce que euh, pour les autres personnes, est-ce que c'est visible pour les autres personnes en situation de handicap Est-ce qu'ils se sentent stigmatisés dans la vie Bon, vous savez, maintenant, on peut dire que, Alhamdulillah, les, gens commencent à comprendre. La seule difficulté qu'on a, c'est au niveau de ces personnes sourdes, aveugles, que euh, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que ces personnes existent même à plus forte raison leur apporter leur soutien. Donc c'est ça maintenant notre combat de lutte comment intégrer ces personnes au sein de nos structures, au sein de nos communautés, au sein de nos familles, pour qu'ils prennent en compte les besoins spécifiques. Euh, dans les écoles, le président vous a appelé, euh, vous a rappelé plutôt, par exemple, les élèves sourds qui ont des problèmes de vision, ou si l'enfant dit, Madame, je ne vois pas bien, on pense que non, non, ça, c'est peut-être l'enfant ne veut pas étudier. Or, c'est un handicap qui est là à l'école des aveugles, l'enfant vient, tu lui parles, l'enfant n'entend pas, on va dire en langue, peut-être il est têtu ou je ne sais pas comment qualifier cet enfant. Or, c'est un handicap qui est là, posé à l'enfant. Donc, c'est vraiment sensibiliser les enseignants, les autres élèves, pour qu'ils prennent en compte de ces besoins spécifiques de ces enfants-là. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause on commence avec vous, Président Moussa Nasser. La surdicécité est un handicap qui affecte de manière significative la communication, la socialisation, la mobilité et la vie quotidienne. Quelles solutions préconisez-vous au sujet d'une inclusion effective des personnes en situation de handicap au Niger oui, effectivement, comme Regina a un peu parlé, nous avons commencé avec euh, quelques projets que nous avons obtenus, c'est-à-dire qu'en rentrant avec la communauté, euh, nous prenons des formateurs handicapés, aller dans des villages, former des femmes handicapées et non handicapées. Ça, c'est pour montrer aux villageois que les personnes handicapées peuvent faire quelque chose. Ça, c'est aussi une autre forme de l'inclusion en donnant donc euh, euh, la possibilité à la population, même s'ils ont une personne handicapée dans leur euh, communauté, de l'intégrer, de l'inclure donc avec eux. Donc c'est ça que nous avons commencé donc avec. Et, le message passe. Et le, message passe parce que vous allez voir qu'au niveau de la formation, c'est tout le village qui vient pour regarder comment une femme handicapée visuelle est en train de former des femmes handicapées et non handicapées sur, par exemple, les produits cosmétiques, sur la fabrication de, de savons liquides, savons, parfums, robes, Victago. Tout ceci, on est en train de former. Et c'est des femmes handicapées, où vous allez voir une femme sourde qui n'entend pas, c'est elle qui, qui forme les femmes euh, non handicapés dans un village. Donc c'est aussi une autre forme d'inclusion pour montrer donc aux villageois que les personnes handicapées peuvent contribuer donc peuvent donc euh, contribuer au développement de leur communauté. Moussa Nasser, c'est un rappel, le 27 juin est la journée mondiale de la surdicacité en hommage au jour de naissance d'Hélène Keller, célèbre autrice militante américaine devenue sourde et aveugle alors qu'elle était encore un bébé. Peut-on prévenir ces handicaps eh, euh, oui, par exemple, quand vous avez pris effectivement le Helen Keller, lorsqu'elle était née, eh, effectivement, elle avait un problème euh, visuel. Et par elle pensait qu'elle ne voyait pas. C'est après, lorsque le papa a constaté s'il une tasse tombe, donc il n'y a pas de direction même s'ils tapent les, mains, il n'y a pas de direction. C'est dans cela qu'ils ont constaté effectivement Helen n'entendent pas et ne voient pas. Donc vous voyez, donc c'est dans ce sens-là que euh, au niveau de leur famille, comme on ne peut pas l'amener dans une école, une zone de péché, donc une enseignante pour venir donc enseigner Hélène à domicile. Donc, c'est-à-dire que éducation à domicile. Même ça, on devrait développer ça ici au Niger, l'éducation à domicile. Parce que ce n'est pas tout enfant qui peut aller à l'école. Par exemple, le cas des enfants sourds aveugles. On peut leur donner donc l'éducation à domicile. C'est à travers ceci que on a formé Hélène. Donc, à travers l'enseignante là, jusqu'à Hélène a obtenu donc, euh, je pense, euh, une licence donc en, droit. Donc, vous voyez donc. Euh, c'est ça que nous, ici on Niger, que nous souhaiterons dans l'avenir, voir que ces gens des enfants-là, effectivement, on peut les éduquer, mais avec beaucoup de moyens. Moussa Nasser, avez-vous le sentiment que l'État et ses partenaires vous accompagnent dans le cadre euh, de l'effectivité de vos activités et Effectivement, nous sommes euh, au début de, de sensibilisation, comme je vous ai dit. Par exemple, quand vous prenez dans le pays développé, quand je prends par exemple l'Afrique du Sud, c'est déjà des personnes euh, sourdes, aveugles, ils ont donc un appui, une assistance donc de, de l'État au niveau de communauté. Il a une sorte d'allocation. D'allocation, c'est ça que Régina a parlé, par exemple, celui qui s'occupe de sa maman. L'État devrait lui donner une prime, par exemple, même si c'est sigmique pour le salaire, ces genre de personnes-là. C'est ça que nous sommes en train de voir au niveau de la mairie de Zander, de Tawa, de Madawa, où nous avons ces genre d'enfants-là, pour qu'au moins ça ne demande pas quelque chose. Salaire sigmique, là, peut-être c'est juste 40 000 francs comme ça que l'État puisse donc octroyer à celui qui s'occupe donc de ces, ces personnes. Nous sommes en train de voir aussi avec le ministère comment de l'avenir donc élaborer aussi une loi qui peut donc euh, vraiment donner donc une assistance à ces gens de, personnes donc euh, qui sont sourdes et aveugles. ce que je voudrais un peu parler, nous avons ici aussi localement ici au Niger trouvé de bonnes volontés qui n'ont pas voulu donner leur nom. Actuellement, nous avons quatre qui ont pris l'engagement avec des notaires qu'ils vont payer donc à euh, quatre personnes sourdes aveugles ici au Niger jusqu'à la fin de leur vie 40 000 francs par mois. De bonnes volontés. De bonnes volontés actuellement qu'ils ont pris l'engagement avec des notaires qu'on a signé du papier qu'ils sont en train de payer comme salaire à des personnes sourdes aveugles qu'ils ont l'habitude de rencontrer ici au Niger grâce à la sensibilisation de notre organisation. Merci beaucoup, Président Moussa Nasser, Moutari Doubouna Samou. L'impact de la surdicacité sur les adultes et les enfants est lié à la communication, aux connexions et au soutien de la famille et de ses amis, aux opportunités éducatives et de développement appropriées, ainsi qu'aux activités récréatives et les loisirs. Quelle communication ou sensibilisation pour amener les autorités et les partenaires à faire de l'inclusion une priorité au Niger Moutari. Merci. Moi, je pense que pour faire de l'inclusion une priorité au Niger, j'ai rappelé ça précédemment, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous et voire même avec vous les journalistes, c'est des sensibilisations. Et en ce qui concerne l'État, c'est d'appliquer les lois existantes. Et les conventions, les, conventions, les traités. La, voilà. La convention relative aux droits des personnes handicapées, elle est la convention la plus inclusive en matière de droits des personnes handicapées. Cette convention, elle œuvre pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et à son article 4, elle oblige l'État à prendre des dispositions nécessaires, législatives et réglementaires, pour prendre en compte les droits des personnes handicapées. La Convention a été claire. On peut avoir un handicap nouveau qui nous, on n'a pas la connaissance. Car cette convention a été élaborée par des, des experts et à travers des situations vécues. Et auparavant au Niger, et je me rappelle, c'était un luxe. Nous, on a l'habitude d'entendre ça, c'était un luxe pour donner un diplôme à une personne aveugle. Maintenant, j'ai ma licence en droit et je continue. Je continue d'étudier. Maintenant, si je n'ai pas été patient ou si ma famille n'a pas été sensibilisée, parce que moi, ce qui m'a aidé, c'est par exemple la sensibilisation entre pères. J'ai vu mes propres semblables sont en train d'étudier et j'ai accepté. Vous avez été aussi soutenu par votre famille Par la famille aussi. Donc, euh, c'est pour cela qu'on sensibilise la famille pour qu'elle accepte que la situation des handicap n'est pas, une fatalité. n'est pas une fatalité. Et à l'endroit de l'État, c'est d'appliquer les textes. Parce que la Convention a prévu des communications, toute autre forme de communication qui permet à la personne d'être inclue a été développée par la Convention. La communication gestuelle, la tactile, la, des signalisations au niveau des bâtiments publics et toute autre forme de communication développée. Par exemple, pour les personnes sourdes et aveugles on peut toutefois développer d'autres formes de communication selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Par exemple, pour les personnes aveugles, ils sont déjà initiés en braille les enfants aveugles. Avec le temps, on ne sait pas ce que ça va devenir. On n'est pas en termes de, cest de fabrication, si on peut les dire ainsi. À tout moment, un handicap peut intervenir. C'est ça. Et deuxième des choses, ce que la Convention a prévu, a dit, l'État a l'obligation de faire participer les personnes handicapées. Par exemple, nous, les associations qui œuvrent pour la promotion des droits des personnes handicapées, l'État doit nous impliquer dans les instances délibératives, c'est-à-dire dans la prise de décision. On ne peut pas élaborer quelque chose pour la personne. Sans la personne. Voilà, sans la personne. Et dans ce cas, on risque de de faire quelque chose qui ne va pas profiter à la personne. Euh, Moutari Dubuna Samou, quelle prise en charge pour faire face aux difficultés de la vie Prise en charge pour faire face. Tout à l'heure, euh, et le président euh, Moussa ont parlé d'allocation, une sorte d'allocation. Est-ce que selon vous, il ne faut pas aller au-delà de cette allocation Au-delà de ça, c'est de mettre les moyens nécessaires pour éduquer la personne parce qu'on ne peut pas prendre eh, en charge. Certes, l'État, c'est l'État, mais l'État aussi a des réformes. On ne peut pas savoir et eh, les années qui vont venir ce que l'État va devenir. On sait que c'est notre souhait que l'État soit toujours aux côtés des personnes handicapées, mais on a l'habitude d'entendre les fonds, et eh, comment s'appelle, national de soutien pour les personnes handicapées a été supprimé. Pourtant, c'est un, un, fonds qui a été créé par un décret et ce fonds a été suspendu. Et malheureusement, il y a, beaucoup de, beaucoup d'étudiants qui ont eu ce problème parce que c'était mon cas aussi qui a réclamé ce fonds-là. Malheureusement, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Moutari Doubouna Samou, Rahinatou Moussa Souna. Euh, quelles sont les difficultés au sujet de l'inclusion des personnes victimes de ces handicaps euh, Les difficultés, c'est d'abord l'estime de soi. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas en leur double handicap. Euh, la deuxième difficulté, c'est le soutien de la famille. Parce que quelle que soit ta situation, même si tu n'es pas une personne handicapée, tu as besoin euh, de l'affection maternelle, de l'amour de ton entourage. Parental. Parental de ton entourage. Donc ça aussi, c'est une difficulté qu'on est en train de rencontrer. Euh, parce que euh, comme vous, quand vous regardez sur le plan, une personne handicapée, elle est soit discriminée ou surprotégée par sa famille. C'est les deux-là. Or, nous, nous cherchons, nous ne cherchons ni la discrimination, ni la surprotection mais nous voulons qu'elles soient traitées au même pied d'égalité. Quand vous rentrez dans certaines familles, je prends un exemple, quand il y a un baptême, vous allez voir s'il y a un enfant non-voyant, par exemple, vous allez voir, on va le prendre pour le placer hors de la maison, pour qu'il n'assiste pas. Alors que les autres enfants sont en train de distribuer des bonbons, euh, inviter leurs camarades. Lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Sa propre mère a accouché, mais il n'est pas au courant. Donc ça, c'est une autre discrimination. Des fois aussi, les parents le font pour protéger, soi-disant protéger cet enfant-là, pour qu'il ne tombe pas, pour que je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut. D'autres, c'est par surprotection, d'autres aussi, c'est parce que la famille ne veut pas qu'on sache qu'ils ont ce genre d'enfant dans la société. Donc, nous avons besoin d'une prise de conscience de la communauté, de nos parents d'abord, pour que nous soyons autonomes. Nous avons aussi besoin du soutien de l'État, comme on le dit toujours l'État doit songer à comment créer des activités génératrices de revenus à ces personnes-là Comment créer des écoles très inclusives Parce que honnêtement, nous avons des soi-disant écoles inclusives, mais ce n'est pas des écoles inclusives quand vous rentrez. Il y a des insuffisances. Il y a beaucoup d'insuffisances parce qu'il y a certains enseignants qui refusent même l'accès à ces enfants-là à l'école parce qu'ils disent que moi, je ne peux pas tenir cet enfant. Or, quand tu as été enseignant lors de la formation, tu as pris l'engagement d'étudier tous les enfants sans discrimination. Dans les centres de santé, la même chose. Il y a d'autres médecins, quand tu les amènes, les enfants lui disent Ramène-le à la maison, qu'est-ce qu'on va faire pour lui Or, ce n'est pas son devoir. Il a l'obligation de consulter cet enfant-là. Donc nous avons besoin vraiment du soutien de l'État pour une identification effective de ces enfants-là, pour connaître leur degré d'handicap, afin de pouvoir euh, choisir les activités, soit à l'école ou des activités génératrices. Parce que nous sommes convenus que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent aller à l'école. Reinatou Moussouna, euh, selon vous, que faire pour mieux assister et protéger les personnes euh, sourdes aveugles Il faut les impliquer. Il faut les impliquer et impliquer les membres de leur famille les connaître où ils sont d'abord. Ensuite, peut-être procéder à un diagnostic médical pour connaître leur degré d'handicap. On vous a parlé des élèves à qui on a acheté des verres correcteurs. On vous a parlé des élèves à qui on a donné des assistances pour l'audition. Donc, il faut d'abord vraiment une identification effective, connaître tout ce beau monde-là, où ils sont et comment est-ce que nous pouvons les aider. À présent, euh, Président euh, Moussa Nasser, quelles sont vos propositions, vos conseils ou recommandations pour une inclusion effective des personnes en situation de handicap au Niger Rapidement. Ce que je voudrais, euh, pour une meilleure inclusion, il faut donc la participation. Tout ce qu'on doit faire pour les personnes handicapées, que ce soit les personnes donc, sourdes, aveugles, il faut les associer, il faut les impliquer donc, dans toutes choses. Donc vous allez voir beaucoup de choses hein, ou bien beaucoup de projets proposés par les personnes handicapées, c'est-à-dire qu'on n'implique pas les personnes handicapées. Et vous allez voir, malheureusement, ce genre de projets-là tombe. Vous allez voir peut-être dans un village ou bien dans une localité, voilà ce qu'on a besoin. En réalité, ce n'est pas les besoins réels des personnes handicapées. Voilà ce que je voudrais un peu parler et aussi euh, souhaiter donc à toutes les personnes handicapées et à toutes les personnes sourdes aveugles du Niger. Donc, euh, bonne euh, fête donc euh, pour 2024. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, comme tous les autres handicaps, la subdicécité reste et demeure une véritable préoccupation nationale. C'est pourquoi le gouvernement nigérien et ses partenaires ont le devoir de l'inscrire au cœur de leurs priorités. Nous avons le plaisir de recevoir Moussa Nasser, enseignant, président et fondateur de l'inclusion sans frontières, Rahinatou Moussa Souna, journaliste de formation chargée à la communication à l'inclusion sans frontières, et Moutari Doubouna Samou, juriste de formation, chef de projet à l'inclusion sans frontières. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamadou pour la modération. Merci au revoir.